Je voudrais d'abord euh, remercier euh, tout le département de Pékin, mais également toutes les communes qui ont pu quand même répondre à, l'appel Nous euh, ñoo ñëw l'activité activité bi rappel ni c'est une activité de don de sang nous faire don de sang par ricochet on va on va dire don de soi et nous faire don de soi c'est une day dem petit parti passif. Euh, donc mu sommes dans le cadre encore de ses activités de toujours parce que nous pour ko ko xam-xam ni euh, du mais continuation euh, donc ci li nga xamantene débuté ça fait maintenant des années donc Taïji-Ninak, c'est le département de Pikine moo je parle d'envergure mais organisé par la jeunesse patriotique du Sénégal de la section communale de Pikine Ouest euh, mu acte symbolique mais aussi une activité purement humanitaire une activité de générosité mais surtout une activité qui vise à sauver des vies parce que nous, nous, un don de sang bi ko euh, nous ko waxati parce que tout simplement portée euh, bi donc Taïdini, dans le cadre des 48 heures de la GPS de Pikine nous euh, débutons avec le don de sang on va passer à une activité euh, le match de gala hein, ce soir euh, donc aussi randonnée voilà donc randonnée voilà donc randonnée, écologique plus en tout cas la conférence qu'on aura donc animée par le talentueux Amadouba et M. Al donc loolu bu nous ko donc solo mais si nous euh, revenir si li nga le GPS du jouer au niveau national et en particulier si nga Ouest donc ñu toute la GPS euh, donc du département donc en particulier euh, la GPS de la section communale donc dirigée par M. Yahya Aou, qui est en train d'abattre un excellent travail donc li ñu c'est le fruit de toute l'équipe mën nañ wax ne ñun ñoo nekk ni si kanam mais képp ki nga xamante ni contribuer na am na ñoo xam bëgguñu sax feeñ mais euh, li leen animé rek mooy le don de soi leen animé mooy faire de telle sorte que ñu continuer nous les patriotes l'activité yi nga xamante ni nañ ko depuis avant ñuy accéder au pouvoir mais mu am une continuité mooy euh, en tout cas le fil conducteur bi nga xam ne moo ñu lié ñun ak la population te buñ JPS aussi dañuy wax la jeunesse jeunesse au niveau du Sénégal je rappelle que plus de 70% de la population est constituée euh, de jeunes C'est pour l'activité activité donc nous euh, na vraiment delloo mais aussi saluer l'excellent travail que la jeunesse est en train d'abattre au niveau du Sénégal. Nous avons un objectif euh, am 140 donneurs qui ont manifesté pour nous mener à euh, waaye bi ñu defee recensement àgg nañ ci 152 152 te loolu bokk ci ñi nga xamante ni dañuy yëg activité ce matin wala bokk am ñu opportunité ñu inscrire ñu ñëw ce qui veut dire que aujourd'hui vraiment nombre bi ñu ciy am weesu nañu en tout cas bëgg nañu weesu li nga xamante nous mooy les 150. Comme ñoo ci jiitu ndaw patriotes yi boo depuis ce matin il y avait ci sens les premières heures déjà les premières minutes les premières en tout cas la première heure euh, déjà on est à 45 45 donneurs mais 45 donneurs 90 ce sont les jeunes ce sont les patriotes qui se sont manifestés mais j'ai eu également une belle surprise de voir hein, d'autres personnes donc nos euh, nos aînés nos mamans hein, euh, nos frères et sœurs qui sont venus également donc répondre à l'acte saluer

donc ci activité yooyu mu dans ci don de sang don de sang bo xamanteni voilà dañ ko programmer tay samedi le 6 voilà pour euh, mën may ay mën pour sauver des vies donc importance bi nga xamanteni don euh, de sang am na ko donc les jeunes depuis Pikine nous sommes, dañ ci conscient Au moment tax ñu décidé ci une série d'activités yi ñu def ñu bolé ko ci donc nous euh, ñu décidé après ñu am yeneen activité yo xamanteni prévoir nañ ko aujourd'hui donc ak demain inchallah sur les 48 heures donc euh, voilà pour la JPS Pikine OS, ñu ngi organiser don de sang mais doon nañ participer ci yeneen don de sang yoo xamante département de Pikine doon na organisé. organiser voilà donc euh, du gulet participer ci don de sang quoi mais ñi ngi koy door organiser bu ñu avant mooy ñëw ci objectif yi d'abord damay rappeler 48 heures yi donc euh, de sang la le soir am match de gala entre la JPS Pikine US et euh, la JPS départementale demain euh, am une randonnée écologique pour les grandes artères de Pikine US le soir am une conférence sur le thème Premier quinquennat rôle et responsable des jeunes patriotes pour ouvrir des horizons meilleurs Qui ko animé di Amadou

donc maye boobu da ci da ci am solo moo taxoon ñu lancé ko ci yeneen activités yi nga xamante ne dañ koy def dañu participer ci euh, environnement bi je veux dire xool ni ñuy protéger environnement bi moo tax ñu lancé randonnée écologique bi match yi c'est pour euh, en tout cas gën fraterniser wu ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les patriotes du département euh, ñi ngi door a yàlla dogal na tey aujourd'hui ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi donc da ciy baax ñu rappeler ñu li nga xamante ni moom mooy suñu taxawaay ban taxaway lañ wara mëna am pour accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu muy le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre euh, monsieur Ousmane Sonko donc loolu la waraloon ñu lancer woon 48